le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio calam, le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum Bonsoir à toutes et à tous, partout où vous nous, partout vous nous recevez, d'Arlit à Dolbel, de à Gaïa. C'est toujours un plaisir de vous présenter votre émission quotidienne, le Forum du Studio Kalangu Cette émission qui vous permet de trouver des réponses aux questions que vous vous posez au quotidien. Le thème d'aujourd'hui s'intitule Carte de presse du journaliste professionnel. Quelles sont ses particularités, ses avantages et ses obstacles sur le terrain ce forum répondra entre autres à des questions comme qui a droit à la carte de presse du Niger, quelles sont les modalités d'acquisition et les conditions d'utilisation de cette carte de presse, quels sont les droits et devoirs du détenteur de la carte de presse. Pour en discuter, nous recevons comme invité Jafar Maman, conseiller au Conseil supérieur de la communication, et Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, et Ibrahim Soumana Gao, président de l'Association nigérienne des éditeurs de la presse indépendante. Nous avons également invité pour cette émission la police nationale. La personne désignée pour participer à cette émission nous a fait savoir en dernière minute qu'elle est un empêchement. Pour la présentation, Alassane Kouzi Mahamadou. Carte de presse du journaliste professionnel, quelles sont ses particularités, ses avantages et ses obstacles sur le terrain C'est l'intitulé du forum d'aujourd'hui. Au Niger, l'ordonnance numéro 2010-035 du 4 juin 2010 portant régime de la liberté de presse garantit et consacre le libre exercice du métier de journaliste en République du Niger. Ce libre exercice est soumis par ailleurs à des conditions, notamment celle d'avoir une carte de presse qui reconnaît au journaliste le statut de journaliste professionnel. La carte de presse du journaliste professionnel, c'est de cela dont il est exclusivement question dans la section 3, chapitre 4 de la loi sur la liberté de presse. L'article 18 de cette loi stipule que tout journaliste professionnel a droit à une carte de presse délivrée par l'autorité de régulation du secteur de la communication. Et l'article 20 d'ajouter que la présentation de la carte de presse du journaliste professionnel doit faciliter à son titulaire l'exercice de sa profession. Euh, sans tarder, commence par vous, Jafar Maman conseiller euh, au CSC. La carte de presse, qu'est-ce que c'est Pouvez-vous nous la décrire euh, La carte de presse, il faut dire que avant de, la décrire, elle constitue un droit pour les journalistes. Maintenant, bon, pour la description de la carte, euh, si vous allez par exemple à l'article 21 de la même ordonnance 2010-035 mhm. portant sur la, la, liberté de presse, on dit la carte de presse du journaliste professionnel est un rectangle de Bristol de 12 fois 7 cm de couleur crème. Au recto, elle est barrée sur la gauche dans le sens de la largeur aux couleurs nationales du Niger. Et c'est cette couleur nationale du Niger, j'ai dit, qui ressemble à beaucoup mm. d'autres des, cartes. Mm-hmm. Mais la différence, c'est la taille et euh, le contenu de la carte. Mm-hmm. Elle porte les inscriptions très lisibles de presse. Ça, c'est une des particularités. On dit aussi, elle porte un laisser passer Ça, ça, ça, revient sur d'autres cartes. Mm-hmm. Mais la différence, pour la carte de presse, mm. c'est presse. Elle est, euh, porte une vignette portant le, millésisme de la validité et collée au-dessus du mot presse. Elle porte un, un numéro d'ordre ainsi que le nom de, l'emploi du titulaire, père journaliste, son organe, la date de délivrance. Mm. Elle est suivie de la mention journaliste professionnel. Voilà toute l'importance de cette le nom, prénom, l'organe. Je pense que c'est un aspect très important qu'il faut. En dehors de presse, mhm. elle porte la mention journaliste professionnel. C'est-à-dire que est, journaliste professionnel le détenteur de cette carte. Mhm. Et ça veut dire tout ce que ça veut pour tous ceux qui connaissent la fonction du journalisme et qui sont censés euh, lui faciliter son travail. Mhm. On au verso, il est indiqué les noms, prénoms, surnoms s'il y a lieu, date et lieu de naissance, domicile du titulaire ainsi que le nom de l'employeur, mhm. c'est-à-dire son organe. S'il n'est pas freelance, c'est-à-dire mhm. s'il n'est pas un journaliste indépendant à son mhm. compte. La carte de presse porte la signature de l'autorité qu'il a délivrée et celle du titulaire ainsi que la mention strictement personnelle. Voilà, nous euh, revenons aux autres. Garé Amadou, pour vous, la carte de presse, qu'est-ce que c'est Oui, mais moi, pour moi, c'est juste euh, ben, c'est un sauf-conduit qui doit nous permettre quand même de faire notre boulot n'est-ce pas, de façon tranquille, sans problème, dans le cadre de l'exercice de notre profession. C'est-à-dire que c'est comme une sorte de, laisser-passer en réalité qui doit nous faciliter le travail. C'est-à-dire que quand on a classe et ça donne un peu de crédibilité, vous savez, c'est un mm. principe universel. Hein. Mm. Le Niger n'a pas inventé la carte de presse. La carte de presse existe dans toutes les grandes démocraties. C'est un document qui, même à l'extérieur, peut être en tout cas utile. Mm. Moi, j'en ai été témoin parce que je me rappelle en 2010, j'étais en, Suisse, à Genève. Et on était parti, on voulait rentrer au niveau du siège des Nations Unies. Et la condition que le service de sécurité a posée, oui, c'était d'avoir la carte de presse. Parce qu'on a dit qu'on est des journalistes, oui, on est envoyé ici pour. Ils disent non, mais où est la carte de presse J'étais le seul à avoir la carte de presse. Et quand je l'ai présenté, le, policier a dit Ah, this one is OK, celui-là, il, est, hmm. bon. Et, donc, moi, j'ai pu passer, j'ai laissé mes deux amis. Hmm. après, ils ont pu passer, mais c'est pour vous dire l'importance de la carte de presse. Au-delà de frontières, ça marche. Hmm. Jafar Maman, conseiller au CSC, dites-nous qui a droit d'abord à la carte de presse du journalisme et comment l'acquérir Oui, euh, la carte, je l'ai dit en, amont que la carte de presse, c'est un droit pour le journaliste, demandeur et, <laughs> notamment. Hmm. Quand il demande, donc c'est le, Conseil supérieur de la communication est, euh, censé lui attribuer, euh, sous réserve de respect d'un certain nombre de, de critères. Hmm. D'abord, il est journaliste, il, il est dans un organe. Hmm. Euh, il, jouit de ses droits civiques. Le journaliste professionnel qui vit de, ce, de son métier, et on l'a dit dans la définition du journaliste professionnel, il y a les journalistes professionnels, y compris ce qu'on appelle assimilés, mm. ils sont journalistes, et la carte leur officialise ou leur facilite l'exercice de leur professionnalisme, c'est-à-dire au-delà du cadre rédactionnel ils peuvent se présenter. Mais lorsqu'on voit, euh, quand on regarde les critères, c'est que le journaliste doit être d'abord demandeur mhm. pour bénéficier de la carte de mhm. presse. Et dans sa demande, il y a à peu près quatre pièces à remplir. Il y a la, euh, une pièce d'état civil, mhm. acte de naissance ou jugement supplétif, casier judiciaire. Il y a les diplômes qui attestent que vous avez étudié, vous avez euh, une formation diplômante accompagné des attestations de stage, puisqu'il faut au moins trois mois de stage pour certains, un an de bénéfices des retombées de ce travail-là. C'est-à-dire vous devrez prouver que vous avez un an de travail permanent dans une entreprise de presse en tant que journaliste au-delà de trois mois de stage. Et aussi un certificat de, de, travail, hein? Un certificat de travail signé par l'employeur, mmh. plus euh, la demande comme vous le, vous le voyez. Mmh. Euh, et c'est ça qui constitue. Ce n'est pas tellement beaucoup. Mm. Et lorsqu'une pièce manque, on demande au demandeur mm. de la compléter. On rejette sous réserve. Ça veut dire qu'on ne refuse pas, la carte. définitif. Justement, lorsque ces critères que je viens d'énumérer sont respectés, il a droit à sa carte de presse. Peut-être le rejet n'est que temporaire, le temps de compléter. Parlons des droits et devoirs du titulaire de la carte de presse. L'ordonnance sur la liberté de presse stipule en son article 20 je l'avais déjà dit, que la présentation de la carte de presse du journaliste professionnel doit faciliter à son titulaire l'exercice de sa profession. Alors, euh, je reste toujours avec vous, Jafar Moman. Pouvez-vous nous citer les principaux droits euh, et avantages qu'accorde la carte de presse euh, à son détenteur ah oui, comme vous l'avez dit, c'est le même article 20 qui, énumère le droit de facilitation, si on peut les, dire comme ça, mhm. de la carte de presse. Il s'agit de, par exemple, pour euh, franchir le cordon de sécurité, euh, d'accéder aux bâtiments publics, par exemple, qui sont bien gardés, toujours par les services de, de, l'ordre, au lieu d'événements. Et surtout, c'est ça un, point important aussi. Hein, aux ça événements dont le, journal journaliste aura à rendre compte. Aura à rendre compte, justement. Il y a, euh, par exemple, l'accès à, à, tout moment, hein, il faut le préciser, à tout moment aux emplacements des aérodromes, habituellement réservé aux voyageurs et à l'embarquement. Ça, peut lui permettre aussi de bénéficier de l'exercice de sa profession. Dans l'exercice de sa profession, il faut, mhm. il faut bien le préciser, de la priorité au guichet des bureaux de poste pour que le journaliste ne perde pas de temps, pour qu'il accède rapidement, à faire ses, opérations et retourner faire son travail. Mhm. C'est ça, on a dit bénéficier de l'exercice de sa euh, profession, de la priorité au guichet des bureaux de poste et des opérations de télécommunication. Maintenant, il y a un autre aspect, c'est d'accéder aux documents administratifs. Là, c'est important. Je pense que tout, il n'y a, pas longtemps, euh, je parle sous le contrôle de Gao et Garé, il n'y a pas longtemps, un décret euh, est, signé et promulgué sur euh, l'accès de à l'information et aux documents administratifs. À la place de la loi, je pense que ça ne change rien dans l'applicabilité, mais c'est pour dire que déjà l'ordonnance a prévu cet aspect-là. Permettre aux journalistes d'accéder aux documents administratifs dans les conditions déterminées par les textes en vigueur. Et c'est ça l'essence du décret. Il vient de, clarifier comment accéder aux documents administratifs et qu'est-ce qu'on appelle documents administratifs. Et on dit aussi, sous réserve de, nécessité de l'ordre public, les autorités administratives, c'est très important, où les forces de, de défense et de sécurité facilitent la tâche au détenteur de la carte de presse du journaliste professionnel. Alors, Donc, dans la ça veut dire que, hmm. euh, euh, sauf dans le contexte d'urgence, on aurait dû avoir euh, votre quatrième invité qui est censé mieux répondre à cette question. puisqu'il s'agit le de, représentant de la police. Justement, puisqu'il s'agit des aspects sécuritaires d'urgence. On dit sous réserve des nécessités de l'ordre public. Ça veut dire qu'il n'y a que eux qui maîtrisent qu'est-ce qu'on peut mettre dans le lot de nécessité d'ordre public pour mm. dire que face à cette nécessité, les journalistes ne devraient pas mm. franchir cette étape. Donc, Mais en dehors de, de de, l'ordre public, ces forces de l'ordre doivent, assurer, faciliter et permettre aux journalistes d'accéder à ce lieu et même de lui faciliter de faire son travail. Donc tout l'aspect sécurisation du journaliste dans son travail. En théorie, voilà, c'est que la carte de presse est censée vous procurer comme, avantage. Alors, Monsieur Ibrahim Soumanagao, des commentaires peut-être sur les avantages de, qu'accorde la carte de presse au titulaire Dieu merci, ça commence à évoluer un peu. Parce qu'on constate de plus en plus les forces de l'ordre euh, accepte les journalistes sur le lieu de manifestations Parce qu'auparavant, c'était compliqué. Hein. On a même vu les journalistes qui se font tabasser pour le moment, on peut dire que demain, ça commence à évoluer un peu et les forces de l'ordre commencent à comprendre mhm. et accepter un peu que les journalistes fassent leur travail, même si vraiment il y a un problème de, avec les manifestants. Mais le problème, le plus grand problème, peut-être, c'est au niveau de l'accès aux documents administratifs. Pour le moment, notre plus grand problème, c'est ça. Parce que c'est ça que tu vis au quotidien. Si tu es journaliste, si tu approches un bâtiment, si on te connaît, même, même une affiche là, quand tu viens là, quand tu passes là, on l'enlève. À plus forte si tu vas demander un document. Si tu vas demander un document là, on va dire d'accord, bon, il faut faire demande, il faut faire ceci. Un document que tout le monde peut avoir normalement, toi en tant que journaliste, tu l'as pas. Même en présentant la carte de presse. Mais c'est ça même où c'est pire. Hmm. Des fois, même mieux vaut aller en tant que simple citoyen, tu as un document que si tu es journaliste. Alors que logiquement, quand tu, quand tu es journaliste, il y a même document que ne peut pas avoir un certain normal ordinaire, toi tu peux l'avoir, parce que tu es journaliste. Il y a même des cas de sanctions qui sont prévus. Mais les gens ne le savent pas. Mm. Dans la loi, l'ordonnance dont le décret a été pris tout récemment, le décret d'application a été pris tout récemment, mm. il y a des cas qui sont prévues. Mais bon, comme nous, on ne porte pas plainte, les gens continuent à nous refuser les documents administratifs dont on a besoin pour faire notre travail. Mm. Or, les documents, on a tout le temps besoin tout le temps quand tu fais un travail, tu as besoin de documents pour faire un article des fois, hmm. ou pour faire un reportage. Merci. Gare Amadou, on a vu un certain nombre d'avantages accordés euh, aux journalistes professionnels euh, à travers cette carte de presse. Quel commentaire Oui, c'est-à-dire que la carte de presse, sur, les principes, hein, c'est très joli, euh, le texte est très bien, hmm. mais il y a des problèmes au sein même des textes-là. Hmm. D'abord, je vais au niveau de franchir les cordons de sécurité. Vous savez, la carte de presse, là, en principe, avec la carte de presse, même une manifestation pour laquelle on a fait des badges, si je présente ma carte de presse, je dois passer en principe. Je prends l'exemple, le sommet de l'Union africaine, si je viens avec ma carte de presse, en principe, on ne doit pas m'arrêter. Mais on va m'arrêter parce que je n'ai pas le badge. L'accréditation. La, Vous voyez ces, contradictions-là. Hmm. S'il y a une manifestation qu'un organisme, la CDAO organise à Niamey, où elle a fait des badges, si je viens avec ma carte de presse, en principe, on doit me laisser accéder à, cette manifestation-là. Hmm. Mais ça ne se passe pas comme ça. Vous comprenez Les gens abusent. C'est difficile de franchir les cordons. tu dis non, non, non, tu as la carte Mais où est le badge Je lui dis, mais ça, c'est plus fort que le badge, ça. C'est la carte de presse. Maintenant, il est question de quelle est l'utilité de la carte en réalité. On dit, sous réserve de nos sociétés publiques, vous savez, le législateur est parfois assez sournois. C'est-à-dire qu'il élabore la loi et il reste dans un flou pour permettre à ceux qui doivent apprécier d'avoir la latitude d'interdire l'accès à un endroit. D'interpréter à leur façon. Mais, oui, mais la JAF, la dit, sous réserve de nécessité de l'ordre public, c'est quoi Quelle est la nécessité de l'ordre public pour le policier, pour le maire, n'est-ce pas Pour, je euh, ne euh, je sais pas quoi. C'est quoi gendarme. Oui, Mais donc, il faut la loi doit être normalement très claire. Par exemple, quand une manifestation est interdite et que les organisateurs organisent, qu'est-ce qui se passe Les policiers viennent pour disperser. Et quand le caméraman vient pour filmer, on le tabasse. Il y a besoin de sensibiliser hum. les policiers. Moi, je ne suis pas étonné que le policier ne soit pas venu. Parce qu'il sait que c'est un sujet délicat. C'est-à-dire que il faut que les forces de l'ordre comprennent l'utilité de cette loi-là. Bien, je voudrais euh, demander euh, à, Jafar Maman euh, du Conseil supérieur de la communication, s'il peut nous rappeler les obligations ou devoir du titulaire de la carte de presse en reportage ou dans son comportement au quotidien. Oui, les obligations du, du, détenteur de la carte de presse, c'est les obligations du journaliste euh, tout mhm. court en matière de respect de la charte du journaliste professionnel et en matière de respect de l'éthique et la déontologie. Mhm. Et par rapport à ça, le CSC peut suspendre ou, ou, retirer définitivement la carte ou refuser de renouveler. Aussi pour des cas de condamnation de, euh, par la justice pour des délits ou crimes prévus dans le code pénal. Effectivement, ça euh, c'est la constatation. Le CSE constate que vous êtes condamné euh, au pénal et il, suspend automatiquement votre carte ou refuse de vous délivrer. Et c'est pour cela, dans la délibération 12 de, 2018 du CSC avait prévu le casier judiciaire, parce hein. puisque c'est le casier judiciaire qui prouve que vous êtes hmm. euh, clean par rapport au pénal. Euh, Ibrahim Gao, Soumana Gao, hmm. des commentaires sur euh, les obligations qu'incombe, en tout cas, cette carte. Effectivement, comme l'a dit, dit, le conseiller, hmm. c'est les obligations du journaliste tout court. Mm, c'est tout. Mais moi, je trouve même, là, il y a une insuffisance dans la loi. Mm. Parce que moi, dans un premier temps, j'avais pensé que la carte, ce n'est pas un droit, c'est un devoir. C'est après, bon, j'avais compris que c'est un droit. Mm-hmm. C'est un droit qui implique des devoirs. <laughs> Et, je constate que, sous sous réserve de ce que les, les, nous dira, que on peut même dire peut-être 80% des journalistes ne demandent pas la carte. Parce qu'ils estiment que ce n'est pas. Bon, non seulement bon, ça ne donne pas beaucoup de droits, mais en plus, ça ne dépêche pas d'exercer. Donc, tu te contentes de ton badge, de ta rédaction, mhm. et tu vas avec. Or, moi, je souhaité que la carte prime vraiment que ce soit un devoir, que si tu n'as pas de carte professionnelle tu ne peux pas exercer logiquement. Parce que vraiment, ça aurait pu être plus dur que laisser CC te la carte. Tu ne peux plus exercer. Aujourd'hui, on le constate bien. Si la carte là est une condition d'exercice là, il y aura un peu plus de régulation, il y aura un peu plus de sérieux l'exercice des métiers. Garé un commentaire sur, sur cet aspect. Je suis d'accord avec ce que IS dit, c'est-à-dire que c'est peut-être ça le, là le, nœud du problème c'est le fait qu'on n'a pas fait le, la carte de presse, c'est-à-dire la condition sine qua non pour exercer. C'est vrai, c'est compliqué. Au Niger, la presse, elle est quand même assez jeune, même si, c'est vrai, depuis la conférence nationale maintenant, on peut dire qu'elle est assez jeune. C'est-à-dire on n'est pas encore un pays eh, où les médias sont assez développés, où on peut se permettre ce luxe-là. Parce que le problème, c'est que la plupart des journalistes ou qui sont sur le terrain, ou les caméramans, les, les, comment on appelle ça, les cadreurs, ce sont des gens qui sont venus pratiquement sans formation, qui ont fait peut-être les caméras de, qui filmaient les mariages et consorts là. Et puis bon, mm. c'est-à-dire, il faut faire avec. Est-ce que vous mm. comprenez mm. Il faut bien comprendre la précision importante, comme l'a dit Jaff, ce n'est pas seulement ceux qui ont la carte de presse à l'état actuel des choses qui peuvent exercer, parce que au sein des rédactions, on a des journalistes qui n'ont pas la carte de presse, n'est-ce pas D'abord, qui viennent de commencer, mais qui ont besoin d'un badge pour pouvoir faire les reportages les mariages, etc. C'est extrêmement important aussi. Vous comprenez C'est-à-dire que la carte du service, elle est aussi importante. Mais il faut avoir la carte de presse parce que, comme je l'ai expliqué, la carte de presse, son avantage, c'est que ça peut servir même à l'extérieur du Niger. Oui, Jafar Maman. Oui, c'est pour un peu euh, abonder dans le sens de, du souci de, oui, effectivement du président Gao. C'est tout à fait normal ce qu'il a dit. En réalité, c'est là toute la difficulté puisque euh, vous allez voir, on a écouté des journalistes qui disent qu'ils ont l'habitude d'aller dans, de, des manifestations où, on, quand ils présentent la carte, de presse, on leur demande de la carte du, de l'organe. Ça veut dire que oui, ça veut dire qu'il y a difficulté. Ah sur l'acte les événementiels préfèrent le badge d'un organe à la place du, de la carte de presse, c'est extrêmement délicat. Donc il y a un travail, peut-être la balle euh, nous est renvoyée. Garé avait évoqué au, sommet de l'Union africaine qui s'est tenu à Niamey, il s'est dégagé un constat amer. C'est lui qui témoigne que beaucoup de journalistes, justement nigériens, exercent sans la carte de presse délivrée par le CC. E. Le critère le premier pour obtenir l'accréditation du sommet, c'était que le journaliste présente d'abord la, euh, carte de presse délivrée par le CC e et non le badge de son organe. Euh, mais finalement, euh, le CSC a dû ouvrir une session, en tout cas extraordinaire, d'attribution de la carte de presse. Euh, un communiqué de l'agence est sorti pour dire que finalement même les badges sont acceptés pour pouvoir avoir l'accréditation. Quelle analyse à propos de cette situation qui change subitement Comment l'expliquer Bon, en ce qui concerne euh, peut-être. Ibrahim Gao ah, tout à l'heure avait dit que certains journalistes pensent que, comme c'est pas, ils ne sentent pas que c'est un devoir, euh, ou bien ils pensent que ça ne leur accorde pas beaucoup d'avantages. Les gens, euh, préfèrent, euh, en tout cas, ne, se sentent pas de l'obligation de faire cette carte. Oui. maintenant que sur le plan pratique, les gens ont constaté que la carte est utile parce que le, au sommet, on l'a exigé. Hein. Mais bon, au finish, on est revenu là-dessus. Mais au moins, ça a, permis... aux gens oh. de constater que la carte est utile. Il y a des situations dans lesquelles, il faut avoir la carte. Hein. Mais moi, je me dis, hein, forcément, il faut toucher la loi par rapport à la carte là. Parce que vraiment, moi, moi bien, me hein, ça peut toucher la conscience d'un professionnel si on lui retire la carte et qu'il ne peut plus exercer. Parce qu'il faut faire ça, ça une condition d'exercice. D'exercice du métier. enfin, une condition. Avoir la carte délivrée par le CSC. Par exemple, les cas évoqués par Gary, par exemple, le, Bon, de toute façon, le texte est là ceux qui viennent euh, pour faire les stages, il n'y a pas de souci, c'est des stagiaires. Il n'y a pas de souci, on sait que c'est des stagiaires. Oui, stagiaires, il n'y a pas de problème. Donc tout, tout, ça, là, on peut comprendre. Le temps de faire ton stage, je crois que c'est combien de mois ils ont prévu Trois mois. tu viens ton stage, après tu as, ta carte. mais je me dis qu'il faut quand même qu'on avance. Il faut avancer parce que nous, en tant que personnel, notre, la plupart des critiques qu'on nous fait, mm. on ne sait pas comment amener nos, nos, nos, nos confrères à respecter la charte du journaliste et l'éthique et l'ontologie de la profession. Il faut trouver un mécanisme légal pour obliger les gens à aller dans l'essence et éviter au moins les insultes que le public nous font. Bien. Oui. Je, je, suis, bien d'accord. Vous savez, on a l'habitude de le dire, hein, la profession est gangrénée par des brebis galeuses, par des gens qui sont sans foi ni loi, qui n'ont aucune, n'accordent aucune importance au métier, mais qui sont là pour se remplir les poches, qui font du chantage, qui font pratiquement de l'extorsion de, son, de fonds, qui font du, de la calomnie, qui fabrique des informations sans qu'une tête, uniquement pour, parfois à des fins politiques. Je vous assure que il faut qu'on arrive à un point où effectivement on va exiger que tout le monde puisse avoir la carte de presse pour exercer comme ça. Le CSC e va sanctionner. C'est-à-dire que vous savez, les brébis galeuses, on les connaît tous, hein, nous, dans notre mmh. profession, on se connaît. Parce que la famille de la presse, ce n'est pas une famille énorme. Tout le monde se connaît. On sait qui est bon, on sait qui est, bon. on sait qui est vil, on sait qui n'est pas vil. Et donc, je pense que cette carte de presse-là, mm. il faut qu'on, comme l'a dit hier, il faut qu'on arrive à un point où, effectivement, ça sera la condition pour exercer. Mm. Parce que le problème, c'est quoi C'est le métier le plus facile à faire aujourd'hui. Mais ce souci-là, je pense que le Conseil supérieur de la communication l'a un peu abordé quand j'ai, fait cette indiscrétion en disant que on a élaboré le principe, on a révisé les principes, ou sinon élaboré un projet euh, si on peut l'appeler de loi, mm. sur les principes fondamentaux de, euh, de, la liberté de presse. Mm. Et ces principes fondamentaux, je vous dis, c'est un gros dossier qu'on a fait pendant pratiquement deux ou trois mois. C'était le premier challenge du, du, bureau mm. du nouveau Conseil supérieur de la communication. Et ce n'est pas pour rien qu'il y a eu cérémonie officielle de remise de ce projet-là au, ministre de la Communication qui est censé euh, le porter auprès du, gouvernement. Et ces aspects-là, je suis sûr et certains sont contenus. Hmm. Il y a ceux qui ne sont pas contenus et qui sont intéressantes dont Gao a évoqué, hmm. que peut-être le jour où le gouvernement va poser ce, le, euh, l'appréciation de hmm. ces débats, ça peut permettre de l'enrichir, d'enrichir ce document-là. Sinon, le souci du Conseil supérieur de la communication, c'est pour arriver à ça. C'est pour arriver à faire en sorte que si on n'a pas un ordre, effectivement, comme l'ordre des avocats, l'ordre des architectes, au moins qu'il y ait une loi qui encadre de fait qui doit être journaliste, comment devenir journaliste. Alors, e-, est-ce qu'on peut avoir des chiffres, euh, Jafar sur le nombre de cartes de presse délivrées oui, effectivement. peut 2017, 2018 ou et 2019. Oui, effectivement, on peut, on peut avoir. Pour avoir une idée sur la, loi, progression. portant euh, composition, fonctionnement du CSC a fait un, déjà un pas important en faisant en mettant à la disposition du Conseil deux, commissions, la commission éthique d'ontologie et carte de presse et la commission suivie de cahier des charges. Mmh. Ça veut dire que euh, à partir de là, c'est des conseillers qui animent euh, les deux commissions. Mmh. Euh, et, ces questions-là, nous, nous les traitons directement. Ce qui fait qu'en en 2018, ma commission a traité 88 dossiers de carte de presse et a attribué directement 80 en 2018. Et les 8, euh, c'est le régime temporaire dont nous disons que euh, sous réserve de compléter, justement de compléter. Mmh. Mais ce qui est important, c'est qu'en 2019, apparemment les choses évoluent. Mmh. Les gens apprennent à, comprendre l'utilité, comme l'a dit Gao, de, la carte de presse. Mmh. Puisque avec la dernière situation, déjà à cette date, je, vous dis, à, la date de 2019, à la veille du sommet, on est à, plus de, 100 cartes de presse attribuées. C'est pour vous dire que bon, ça commence à venir, mais la difficulté, c'est, Garel l'a évoqué, Gao l'a dit, c'est qui doit être journaliste. Puisque véritablement, le dossier qu'on voit dans la composition. l'article 12 de la loi définit qui est journaliste et ceux qui sont assimilés et aussi. aux, aux ça, cette responsabilité, j'ai dit que aux organes, aux organes de presse aux entreprises de presse de, de, de, se pencher sur, euh, cette loi qui définit qui est journaliste. Puisqu'on voit, par nécessité de, travail, ils, font, ils utilisent, comme l'a dit Garé, euh, ceux qui viennent, qui n'ont pas de qualification. Et lorsqu'il s'agit de demander la carte de presse, ils, ils leur établissent des, des, attestations. Et eh, mais, mais, quand vous voyez les ils aucune qualification. pour avoir la carte de presse. Mhm. On a cette difficulté-là. Mhm. L'organe notifie que oui, il, est, il travaille dans mon mhm. organe, il est journaliste professionnel, il, est, il travaille depuis tant. Mais quand vous regardez son dossier, il n'y a rien qui peut, justifier qu'il soit. Puisqu'on dit que même étant assimilé, c'est-à-dire il faut une formation diplômante. Et vous allez voir, dans une demande, euh, le demandeur n'a aucune formation. Il n'y a que l'attestation comme diplôme de trois mois dans un organe. Aucune pièce, aucune formation. Et dans ces situations, qu'est-ce que vous faites mais dans ces, dans ces conditions, l'ordonnance 035 euh, l'a définie. C'est-à-dire, à partir de si le journaliste a commencé à exercer à partir de 2010, il faut qu'il prouve qu'il a une formation. Sans ça, il n'a pas droit à la carte de presse. Mais antérieure à 2010, ça, c'est cette attestation, c'est des stages de trois mois. Peut valoir. Oui. Hmm. L'autre aspect, c'est que même si vous avez trois mois de, de, de, stage, il faut le prouver avec un an, un an de, de régularité. <laughs> Bien, nous allons, nous allons avancer sur, sur, les obstacles concrètement, en tout cas autour de, cette carte de presse, son acquisition et son utilisation. Euh, quelles sont les principales difficultés qu'on peut énumérer on a vu certains euh, journalistes, en tout cas, qui estiment que la carte de presse ne les protège pas devant les forces de l'ordre. Et souvent, c'est même une, sorte, une source d'ennui. C'est pour ça que beaucoup ne font pas euh, la demande. Garé, quel est l'état de cette situation C'est une situation. une, explication suffisante mm. Non, mais c'est une situation réelle. C'est-à-dire que les gens vivent des, parfois des situations assez, assez, assez compliquées quand ils, sur le terrain. Mm. J'ai pris l'exemple tout à l'heure d'une manifestation qui a, qui a, été interdite par la mairie mm. et que les organisateurs ont organisée. Mm. Mais, c'est une, actualité, ça. Ça, c'est une information. Et le journaliste va sur le terrain pour couvrir, pour pouvoir interroger. Mais non, non, il est bastonné par les, par les forces de l'ordre. On l'empêche d'accéder. Est-ce que ces journalistes qui sont souvent, euh, qui ont une maille à, partir avec les forces de l'ordre, est-ce que réellement ces gens ont brandi la carte de presse Non, il y en a, vous savez, il y en a aussi qui sont, dans notre profession, il y a du tout. Hein. Il y en a qui sont insolents il y en a qui sont insolents, provocateurs. Parce que, attention, quand vous allez dans une manifestation, je prends un exemple, une manifestation interdite par l'autorité publique, vous, en tant que journaliste, vous n'êtes pas un militant. Vous êtes parti pour recueillir des informations. Mais vous avez des comportements où le journaliste considère que non, non, il est solidaire des manifestants. Il donc, pendant, oui, oui, il est solidaire. Quand le policier lui, lui, lui interdit parfois à juste titre d'accéder à un endroit pour sa propre sécurité, il se fâche parce qu'on a eu des gens qui ont bousculé des, policiers, et mm. puis ça s'est envenimé, ça mm. la situation s'est détériorée. Donc, il y a des comportements aussi de notre part parfois qui sont assez irresponsables. Moi, quand je vais dans un endroit, n'est-ce pas Le policier me dit je ne passe pas, je ne force pas. Mm. Ah non, je ne force pas. J'ai dit non, non. Je, je, lui parle, j'ai dis mais j'ai la carte de passe. dit s'il dit je passe pas, il n'y a pas de problème, je sais les moyens que je vais utiliser pour pouvoir. Non, je ne fais pas une bagarre avec le policier. Mais la plupart du temps, des situations où des gens sont assez provocateurs contre les forces de l'ordre. Ça, il faut le dire. Euh, monsieur Yesgao, euh, par rapport à, ces difficultés, on l'avait déjà évoqué, hein, mm. euh, que certains journalistes mettent en avant pour ne pas avoir, pour ne pas aller faire la carte de presse, notamment les problèmes face aux forces de l'ordre et peu d'avantages. Alors, est-ce qu'il y aurait des, difficultés dans la procédure même d'acquisition de cette carte au niveau du conseil Non, non, non, non je ne crois pas. En tant que journaliste, moi, je constate que dans la procédure d'acquisition, il n'y a aucun problème. Si tu fais ta demande en respectant la loi, le CC te donne ta carte. Il n'y a pas de souci. On n'a pas constaté de problème particulier. Pas de délai très long. Bon, peut-être des fois, ils attendent jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de demandes. Je constate peut-être. Euh, là, il y a un peu d'attente. Mm. Bon, si je dis que. Pas, vraiment, ce n'est pas un problème particulier. Mm. Le problème, c'est ce qu'on a évoqué. Tu as une mm. carte, mais qui ne sert à rien. Moi, je crois que vraiment, c'est toujours un problème de, demain. Quoi. Mm. Il faut que la carte là soit utile aux journalistes mm. et à tout le monde. Et qu'elle soit utile aussi à la profession pour l'avenir. Par exemple, quand le CSC, de, le, le, le, précédent là, quand les journalistes ont été tabassés, il y a eu un rapport d'enquête. Il y a même une plainte qui, qui aurait été, déposée, a été déposée. Nous, on a souhaité à l'époque. On a souhaité à l'époque que le CC accompagne cette plainte, soit même porteur de cette plainte, pour que les gens sentent qu'il est protégé par le CC. Mais bon, le CC était un peu amorphe, tout simplement, il n'a rien fait. Si les journalistes et le CC avait accompagné cette plainte-là, même s'il y a eu de machin là, même s'il si n'y a pas eu un procès, l'important c'est que qu'il ait des bruits dessus, au moins les journalistes vont, savoir qu'il est, bon, que les journalistes, qu'il est protégé par le CSC et que bon, il sera plus encouragé à aller demander la carte de main. Parce que c'est, voilà ce qui le protège pour l'avenir. Je crois que pour demain, pour demain, il faut qu'on, y pense beaucoup. Que bon, le régulateur, même si ce n'est pas lui qui est là pour produire les journalistes, quand même, doit, c'est son travail de la profession même s'il n'est pas là pour protéger les journalistes individuellement, mm. il doit protéger la profession. Et bon, on ne peut pas le faire comme protéger les journalistes mm. contre <laughs> les agresseurs, mm. qui des fois sont les forces de l'ordre. Donc logiquement, je me dis quand même, s'il y a une agression contre un journaliste par les forces de l'ordre, le CSC doit réagir de façon vigoureuse, même s'il faut porter plainte, le CSC doit le faire lui-même. Vous pouvez accompagner la plainte s'il y a une plainte d'un journaliste. Alors, euh, euh, euh Maman euh, du Conseil suivrait, membre du, en tout cas, Conseil au niveau du CSC, est-ce qu'il existe des voies de recours en cas de non-respect des droits euh, ou ou voies y afférents par l'une ou l'autre à, cette carte de presse D'abord par rapport aux droits. Est-ce qu'en cas de non-respect de ces droits, euh, par exemple quand un journaliste se voit euh, refuser l'accès à, un bâtiment mmh. public, à un événement dont il aura à rendre public, à une manifestation, à un document public, Mm. Est-ce qu'il y a une voie de recours pour ce journaliste pour dire qu'il a brandi cette carte et qu'il n'a pas eu... Euh, oui, il euh, y, a, tout un échelon de, recours. Hein. Il y a le recours au niveau du Conseil supérieur de la communication. Lorsque le journaliste se retrouve face à cette situation, et ce au Conseil supérieur de la communication de, prendre attache avec les services euh, dont le manquement a été Maintenant, il y a l'autre recours pénal, euh, si on peut l'appeler, devant les juridictions. C'est euh, lorsque là, c'est le Conseil supérieur de la communication, peut-être euh, qui s'est trompé ou à tort refuse d'attribuer une carte. Ou, et là, le, journaliste, ou si vous êtes même sanctionné mm. par le Conseil supérieur de la communication, mm. vous faites un premier recours au niveau du Conseil supérieur de la communication. Si ça n'a pas été réparé, vous pouvez saisir les juridictions. Ce n'est pas fermé au niveau du Conseil. Il n'y a pas que le Conseil supérieur de la communication qui sanctionne. Toutes les décisions du CSC sont censées avoir à l'esprit qu'elles sont susceptibles de recours mhm. devant d'autres directions. Maintenant, par rapport à la carte de presse, c'est vrai, on a tenté le, souci du délai, mhm. on a tenté de réduire ces délais-là. Il y a plusieurs délibérations où nous, on a pris en charge les difficultés euh, de l'ancien bureau du Conseil supérieur de la communication, des, insuffisances qu'on a trouvées et à travers des délibérations, on a essayé d'alléger les délais, par exemple, de recours, les délais de traitement des plaintes, les délais de traitement des dossiers. Ce qui fait que à chaque session, si vous regardez, dans, euh, vous verrez dans, dans l'agenda, nous avons toujours les travaux de commission valider. Donc, ça veut dire que les dossiers de traitement, si on a cinq dossiers de carte de presse et qu'on constate que nous sommes à la veille d'une session, hmm. on les traite pour que la session la valide hmm. les, dossiers et qu'aussitôt après la, session, qu'ils puissent avoir euh, leur carte de presse. Alors, le, journal, le, journaliste qui se voit refuser ses droits euh, accordés par la carte de presse, peut porter d'abord plainte au niveau de, du, Conseil, supérieur par écrit ou... Effectivement, par écrit, il peut saisir, c'est une administration, il peut saisir par écrit. Mais je suis d'accord avec euh, que euh, des, actions concertées devraient être, devront être menées. Si par le passé, il y a eu assez de cas de manquement, où, bon, c'est vrai, on de, On a trouvé des traces que l'ancien bureau essayait de, rentrer en contact avec les institutions, mm. les, autres institutions de l'État, notamment, le, par exemple, le ministère de l'Intérieur. Mais euh, on constate que même avec ça, il y a les manquements continus. Ça veut dire qu'il y a des, actions énergiques à prendre pour pallier ce, ce manquement-là. Mais je suppose que mm. le conseil actuel est conscient de ça, je vous dis, et c'est partant de ça qu'on a fait les principes fondamentaux. Et des actions vont venir par rapport à. On est conscient de toutes les difficultés de l'article de l'article 20. Jafar, nous allons, merci. Nous allons continuer, si vous voulez bien, euh, des réactions, peut-être des commentaires sur euh, les recours. Est-ce qu'aujourd'hui c'est possible euh, de, en tout cas, ces recours sont, peuvent aboutir est-ce qu'il y a déjà des, des, cas dont vous vous rappelez, Garé à Amadou, non, mais en fait, on peut brandir son droit Vous savez, le principal problème qu'on a avec les textes, c'est que d'abord, les principaux coordonnés ne les connaissent pas. Aujourd'hui, l'ordonnance, mais l'ordonnance 2010, là, du 4 juin 2010, là, l'ordonnance, là, c'est pas tous les journalistes qui la connaissent. Première chose. Et vous croyez que les forces de l'ordre connaissent cette ordonnance-là ah, parce que les lumières, quand même, les, euh, les, avantages de la carte de presse et tout, et, tout, et beaucoup de choses concernant le journalisme. vous pensez que dans la formation, par exemple, des, policiers au niveau de l'École nationale de police, on leur fait, comment on appelle ça là, euh, euh, est-ce qu'il y a un volet qui concerne les relations entre, euh, dans le cadre la du question de, la liberté de oui, la dans le cadre du maintien de l'ordre, comportement oui, dans le cadre du maintien de le comportement adopté face aux journalistes. Vous pensez que leur forme Non. Mais ils Et à qui revient cette, obligation de, porter à leur connaissance ces, ces, questions mais En réalité, d'abord deux choses. Aussi, a le hum. la communication. Par exemple, je donne un exemple, eh, excusez-moi Garé, dans les pays anglophones qu'on a visités, dans le curricula de, de formation que ce soit professionnel ou de renforcement des capacités des agents de, de, de force de l'ordre, il est inscrit, euh, et c'est même, je pense, un texte porté par la CDAO, mm. euh, par des associations qui ont porté ça devant la CDAO pour que ces, aspects dont évoque Garé, qu'ils soient inclus, dans, euh, inclus dans, la dans le curriculum de formation de, forces force de l'ordre. Et il y a même une sorte... Le, le texte a été élaboré et soumis à la CDAO pour que dans chaque pays de l'espace, que le, agents de force de l'ordre qui sortent de, centres de formation, qu'ils aient un minimum de, sur euh, la loi sur la liberté de presse. Mais est-ce qu'aujourd'hui, le Conseil supérieur, ah, euh, euh, est-ce qu'il y a des actions qui sont menées ou bien qui vont être menées auprès des pouvoirs publics en tout cas, et au niveau des, des, forces de défense et de sécurité pour que ces aspects, ces questions puissent être connues puissent, euh, Effectivement, je euh, pense qu'il y a une session. L'attente, en tout cas, de l'espoir d'être euh, Je, je, ne me rappelle pas de, la date précise de la session, du mois, mais quand même, il y a une session où on a, on a mis au devant que ces questions-là, notamment la, la, la, la, crédibilité de la carte de presse. on, a, on a élaboré des... de, euh, des termes de référence pouvant amener au respect de, de cette. D'abord la vulgarisation, puisqu'il faut, il faut d'abord éteindre, revoir les privilèges mhm. alloués à, la carte de presse, puisque c'est. Le, par exemple, si je vous ai évoqué l'aspect poste, ça, ça on doit éteindre, puisque le poste maintenant, ce n'est plus d'actualité. Il y a d'autres euh, euh, services de télécommunication de et, d'autres types de services mm. euh, qui peuvent profiter aux journalistes de l'exercice de leurs fonctions. Donc, sous, sous ces débats-là a été fait des, termes de référence de plaidoyer et d'activités de, sensibilisation ont été élaborés pour que euh, dans les jours à venir, quand même, le CSC puisse aller devant les que ce soit les institutions et même la formation même de, de, de, cadre judiciaire, même au niveau de, la justice. Garé l'a dit, il n'y a pas que les journalistes qui ne maîtrisent pas leur leurs textes, il n'y a pas que les, agents de force de l'ordre. Même au niveau de la justice, vous vous rappelez, il y a des débats. Même, les juges. Même les juges. Et dans ces cadres-là, le CSC a prévu des activités, euh, une sorte de, forum avec les, les, différents responsables judiciaires, hmm. que ce soit des procureurs, parce que c'est eux qui initient des poursuites, que ce soit des juges, parce que c'est eux qui statuent sur les, les plaintes, des activités sont, sont programmées pour que ces aspects-là soient discutés et avec les journalistes et avec euh, le corps judiciaire. Alors, eh, Ibrahim Soumanagao, que suggérez-vous pour que la police ou les forces de l'ordre, euh, les forces de défense et de sécurité et les journalistes qu'il n'y ait pas d'entrave euh, dans l'exercice du métier du, journaliste sur le terrain C'est ce que le Conseil est de dire. Moi, je crois que non seulement il faut qu'il y ait quelque chose de leur formation, il a vu ailleurs, il faut que ça se fasse aussi ici. Qu'ils le comprennent bien. De toute façon, ça a, quel intérêt ils ont à bloquer un journaliste qui fait son travail Ils n'ont aucun intérêt. De toute façon, le, journaliste lui-même, s'il est conscient, il ne va pas les gêner de leur travail. Il est venu tout juste pour prendre bon, image, son, c'est tout. Hmm. Il ne va pas les gêner de leur travail. Hmm. Et, que, et désormais aussi, je crois que c'est ce que j'ai déjà dit, il faut que je le répète encore. Quand il y a une action à mener contre quelqu'un qui fait blocage de la chute d'informations, que ce soit une force de l'ordre ou bien un administrateur, un fonctionnaire, il faut quand même que les CSC agissent. Il faut qu'elles agisse. Mm. Peut-être, avant qu'on aille à la plainte, il faut qu'il y ait une action, même si c'est un rappel à l'ordre écrit par les CSC. Mais à partir à nous maintenant de, de notifier au CSC, il faut qu'elle agisse, même si c'est par écrit. Mm avant qu'on ait une plainte. Parce que justement, il y a des organes, de, il y a des, organisations socioprofessionnelles de journalistes. Voilà. Garé pour finir. Oui, ce que j'ai dit, c'est qu'en réalité, vous savez, quand on parle de, forces de l'ordre ou de forces de sécurité, il y a aussi ceux qui euh, délivrent les, documents publics. Je veux dire, quand, on va dans un ministère pour chercher un document, tous les problèmes qu'on a, il y a une sensibilisation à faire de ce côté-là. Mais vous savez, il y a encore un autre groupe qui méritent aussi d'être beaucoup sensibilisés. Lesquels Je parle de la garde présidentielle. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, les journalistes ont plus peur de la garde présidentielle que des policiers. Ah, c'est vrai. Parce que je vous dis, aujourd'hui sur le terrain, on a tellement peur d'eux. Parce que parmi eux, il y a des gens qui sont extrêmement, extrêmement radicaux, extrêmement durs. Hmm. J'ai vu des scènes où, parfois, c'est le président de la République qui dit à la garde présidentielle, laissez-les faire leur boulot. Je vous dis, l'autre des activités à l'intérieur du pays, c'est le président de la République qui dit non, laissez-les. Mais ils nous bousculent tout le temps. C'est-à-dire, c'est c'est des situations désagréables. Il y a une sensibilisation à faire de ce côté-là. Parce que je vous assure que les journalistes ont beaucoup de problèmes avec la garde présidentielle sur le terrain. Et les journalistes doivent aussi connaître euh, leurs textes, non Non, mais vous savez, par exemple, je prends un exemple, le cas du président de la République. Quand le président de la République fait une activité, lui, ça lui plaît quand il voit les journalistes en, train de filmer. Mm. Mais le problème, c'est que même pour venir et filmer le président de la République, en train non, non, les gardes présidentiels qui viennent, on vous met un bras, presque à vous casser le bras, on vous, pousse. C'est-à-dire qu'il y a, y a des sensibilisations à faire à tous les niveaux. À tous les niveaux. Et c'est sur ces mots que prend le forum d'aujourd'hui, Garé. Merci à vous tous d'avoir participé à cette émission. Nous étions en compagnie de Garé Amadou, journaliste au quotidien La Nation, Diafar Maman, conseiller au Conseil supérieur de la communication, et Ibrahim Soman Gao, président de l'ANEPI, l'association nigérienne des éditeurs de presse indépendante. À présentation à la Sainte Cousine Amadou, technique assurée par Issa Lawali. Bonsoir.